ci wote bo xamante ñun wote wuñ ko pour suñu bop mais dañ ko wotel askan bi ñom ak ñun nous sommes des partenaires parce que ñun politique de développement inclusif et participatif lañuy ñuy donc chacun de nous dafa am partition bu muy jouer ci développement de Yeumbeul motax ñu invité len ci pour ñun ñëpp ñu bokk liggéey bi daw Daouda tay bo gisé impopularité lepp ñak ñàkk liggéey la bu doon liggéey normal man soxlo ma dugg ci politique dama koy accompagner bokk ak mom liggéey parce que on ne change pas une équipe qui gagne mais équipe bo xamante ne liggéeyul dañ koy changer Yeumbeul ñëpp gis nañ faay yi fi nekk mënoo fee nekk bientôt bientôt ans mu nek fi bi sof ben bâtiment bu 100 millions bu mu réalisé école yaa ngi nii day bënn be association yu ndaw yi ñoy cotiser jënd ciment diko tabaxat espace bi fi amone yëpp gaay sakal nañ ko pexé ci éducation dañuy yokk école yi def ko des groupes scolaires benen bi ci santé fokk ñu yokk case de santé parce que déjà waruwaay pour nga ñëw yàgg mar dafa sori tay bo démé biir comico amul dara bo démé afia be xeyra amul case de santé benn centre de santé biñ fi am moy bi nek marin côté sécurité aussi le constat est général ñëpp lañuy ñuy agressé yëmbal boo waxee sax taximan mu andi la bu tout, dans le domaine de fa déjà Khatna et sécurité amu fi loolu moo animé pour ñu dugg ci politique pour changer ko parti yaakaaruma ne dinañ ci daaxee noonu nit soit la ñun population bi la Andal. soirée Sonko collègue may wax donc man maa génn l'activité d'aujourd'hui ce qui nous a animé à le faire c'est tout d'abord montrer à Yumbel qu'on est là et on est intransigeant pour le changement de Yumbel. donc on ne va plus baisser les bras et laisser à des politiciens jouer sur nos ressources et sur notre budget le conseil général si Daouda Ndiaye on n'allait pas se présenter pour changer la commune. On allait juste l'accompagner et dire que comme il travaille, on va essayer de travailler avec lui. Mais comme il ne travaille pas, il faut que les choses changent. Nous avons beaucoup de programmes, notamment pour les jeunes, pour les femmes, pour la santé. On envisage de relever le plateau médical qui se trouve ici. Sur les domaines, on va essayer de régulariser les maisons qui sont ici et faire tout pour que les autres qui sont là et qui occupent les routes, qu'ils soient transférés dans d'autres sites pour mieux désengorger et faire tout pour que Yambol Nord soit attractif parce que c'est la précarité totale. Le problème est local. Donc ce n'est pas au parti de nous dicter là on doit y aller. Nous, c'est notre population qui nous dit. On est là en tant qu'acteur de développement local. Si on voit que notre parti a décidé d'aller en coalition, ils sont libres d'aller en coalition. Mais nous, en tant que fils de et qui habitons Yembol aussi, nous avons le droit de dire que nous allons changer Yembol nous-mêmes. Ce n'est pas une coalition qui peut changer Yembol. Il faut connaître Yembol pour changer Yembol. Personne ne peut nous exclure dans le parti. Ça, c'est une affaire locale. Donc la localité nous intéresse. Donc c'est à nous de voir les voies et moyens pour sortir la localité de cette situation catastrophique.